Salut les amis du Patriot Tinter, merci encore de la confiance On voulait surtout Guy Waylandi abonner, continuez à vous abonner. L'actualité du football, c'est encore ici que ça se passe. Nous allons commencer par l'international sénégalais Sadio Mané, le numéro de Sadio Mané donné à la nouvelle recrue de Liverpool. Il s'agit de Ozan Kabak, Ozan Kabak qui prend l'ancien numéro de Sadio Mané. Rappelez-vous, Sadio Mané à ses débuts, quand il est arrivé au niveau de Liverpool. Sadio Mané, bon, il Liverpool, le numéro Bimoudon Sol, le numéro 19, bon, il y avait euh, Coutinho qui était là-bas et également Firmino Sadio Mané numéro 19 bi sol mais également euh, ñu Dembélé, Ben il a pris le numéro 10 et maintenant le numéro 19 revient maintenant à Ozan Kabak le défenseur turc bi euh, c'est le défenseur que le Liverpool a recruté Ozan Kabak donc il va porter le numéro 19 euh, jadis porté par Sadio Mané mais Sadio Mané actuellement rassurez-vous les gars il est revenu aux entraînements Sadio Mané na seen xel reprendre entraînement et match bi Dien Kogis donc sachez que le numéro de Sadio Mané le numéro 19 maintenant confié à Ozan Kabak. Direction le Paris Saint-Germain avec Neymar. Neymar qui va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain Neymar day oui et des ci Paris Saint-Germain ndax contrat mom da koy euh, dëggalaat té ñuy wax diiru diiru quatre ans ñenti at yo xamné Neymar day des fa nga xamné mom Paris Saint-Germain lolu tax ba FC Barcelone seen wet ñom ñu né fi ni décourager nañ ci Neymar biñ ñu bëggoon mu déllu ci té lolu da leen di a ndax Messi contrat am joie lay jeex Messi bon tout day dem Paris Saint-Germain donc Neymar qui va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain pour quatre ans et ce qui donc ternit euh, en quelque sorte plutôt euh, qui va permettre aujourd'hui au Paris Saint-Germain de confirmer et de conserver son joueur emblématique aujourd'hui, Neymar. Une occasion également de parler quand même de Lionel Messi. Euh, aujourd'hui, le FC Barcelone s'attend de plus en plus à ce que Messi parte notamment au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont perdu tout espoir de voir Neymar revenir au Barça. Donc, diamono di ñom à Barcelone à jeexal nañ ci découragé nañ nañ Neymar dotu ñëw euh, Barça n'a pas signé Paris Saint-Germain contrat bu 4 ans jamono tamit Messi mom bo matul fay dem ñu dess ci Messi ah Messi bi nga xamné mom jamono ji néna day porter plainte Bartomeu ak ñi nga xamné ñom ñoo divulgué contrat bi li ci nekk ni muy fayeekoog lool yépp Messi donc il va porter plainte contre Bartomeu et compagnie pour avoir divulgué euh, les contours de son contrat aujourd'hui Messi est sorti Messi genn na def déclaration né mom day porter plainte ñi nga xamné nak ñom ñoo contrat bobu ko cinq lañ woon bu leen ko fàttaliku muy euh, proche Messi bi bokk na ci papam agent donc donc comme je disais Messi va porter plainte aux aux cinq personnes qui étaient à part son père bien entendu au courant des contours de son contrat dont Bartomeu Abidal entre autres donc aujourd'hui c'est ça l'actualité actualité le numéro de euh, Sadio Mané donné à Ozan Kabak, euh, Sadio qui va reprendre, qui a repris les entraînements, qui va jouer probablement le prochain match. Avec Neymar il va prolonger son contrat, et prolonger le contrat Paris Saint-Germain qui dure 4 ans, lolo new wax Messi porter plainte. Donc les informations c'est ça, Messi qui va porter plainte contre euh, les personnes qui ont divulgué son euh, contrat, les contours de son contrat dont notamment Bartomeu Neymar qui va prolonger au Paris Saint-Germain pour 5 ans.